Je voudrais souligner ici le taux d'abstention qui est euh, très élevé et c'est regrettable pour la vitalité de la démocratie au Sénégal. Euh, en tout cas, nous, euh, Sénégalais de la diaspora, nous nous réjouissons de la participation des divisions socialistes à ce référendum et des Sénégalais de la diaspora. Voilà. Effectivement, il y a eu un taux d'abstention euh, assez élevé, euh, puisque seul 11% de la diaspora sénégalaise est venue voter euh, aujourd'hui. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il en soit, pour nous, ce référendum est un échec patent de Macky Sall, parce que s'il voulait uniquement avoir l'avis de son peuple par rapport à toutes ces questions qu'il a évoquées, euh, dans les, réformes euh, institutionnelles, il n'avait pas lui-même à être juge et parti. Quoi qu'il en soit, euh, nous, nous concluons aujourd'hui que c'est une défaite, une grande défaite. Nous pensons que c'est un gâchis, c'était inutile hein, en fait, un gaspillage des dépenses faramineuses finalement qui auraient pu servir à autre chose qu'à ça. Bah écoutez, euh, le oui l'a emporté, certes. Après, il y a eu une mobilisation, il y a quand même des choses assez spéciales. Pour moi, un référendum, on n'a pas besoin derrière de faire une campagne électorale jusqu'à emmener des bus. Il y a quand même des choses qui m'échappent, des choses qui ne sont pas normales. J'estime que c'est trop d'argent de gaspiller, c'est un gâchis parce que quelque part on avait le résultat d'avance. Voilà. Ce référendum au niveau de Paris, la mobilisation euh, n'a pas été à la hauteur, certes, on est d'accord, mais je pense qu'il y a quand même... Euh, on est satisfait, en gros. On est très satisfait, les gens se sont déplacés des Mureaux, de Mantes-la-Jolie, de Trappes, de Paris, intramuros, de la banlieue proche. Là, si le oui l'emporte, oui, certes, on a beaucoup d'abstention, on aurait pu avoir beaucoup mieux. Mais on est très, très, très satisfait. Ça augure des résultats qu'on va avoir aux législatives prochaines et aux présidentielles prochaines. Moi, je suis très satisfaite en tant que coordinatrice d'une section qui a bien travaillé, et c'est le cas de toutes les sections d'ailleurs de la PR. On s'est battu, on s'est mobilisé. Certes, le référendum n'est pas il n'y a pas d'échéance qui, voilà, qui permette de mobiliser énormément de monde. Mais les gens sont venus. Les gens sont venus voter. Et on en est très très très très très ravis. Ça, je peux vous le garantir. Je vais laisser la parole à ma camarade qui est à côté de moi. Vous voyez, je n'ai même plus de voix. <laughs> Alors moi, je vais prendre la parole. Déjà, euh, je tiens à remercier euh, toutes les personnes qui ont pu se déplacer et venir ici à Paris. Donc moi, je suis Raki je suis responsable jeune à PR Les Mureaux. Euh, c'est vrai que nous, on a eu une très grosse mobilisation. On a vraiment fait campagne. On a, fait un premier meeting le 5 mars dernier. On a réuni plus de 700 personnes dans une salle, tous partisans du oui. On était, euh, on était dans l'explication. Il fallait à tout prix que les gens comprennent pour en quoi était important de voter oui. Moi aujourd'hui, je tiens à faire un clin d'œil à la jeunesse issue de la diaspora, parce qu'on est là, on existe. Je pense qu'il ne faut pas nous oublier. Et en votant oui aujourd'hui, on ne nous oublie pas. Nos députés des Sénégalais de l'extérieur, avoir des représentants au sein des instances décisionnaires. Et ça, c'est important. Et n'oublions pas, bien sûr, le droit des femmes. Et là, avec, avec les 15 points, il était souligné. Merci à tous ceux qui ont pu se déplacer. C'est vrai qu'il y a de l'abstention, mais bon, c'est un, un référendum. On sait très bien comment ça se passe. Voilà, le scrutin s'est bien passé. La journée s'est bien passée. Il n'y a pas eu, euh, comme certains prétendent, des incidences. Tout s'est bien passé à Paris. Et voilà, moi je tiens surtout à remercier la jeunesse, remercier les, dirigeants qui ont fait en sorte que cette journée se, déroule de manière très convenable. Merci. Euh, mes impressions, c'est que voilà que Macky Sall a été bien entendu. Et donc euh, son bilan a fait effet. Et eh bien, ben, le travail paye. Voilà, ma première impression c'est ça. Absolument, les tendances vont être confirmées. Je vais même te donner un scoop. Les représentants du non ont voté oui. Vous savez pourquoi Parce que s'ils veulent plutôt reprendre le pouvoir, plutôt l'avoir 12 ans que 14 ans. Alors bon, ils sont opposés pour s'opposer, mais au fond d'eux, ils ont voté oui. Mais ben voilà, et donc euh, euh, ça se confirme. Tout bien, merci beaucoup à vous aussi. Mais c'est d'abord euh, féliciter et remercier tous nos compatriotes qui sont déplacés pour venir accomplir le devoir civique. C'est est extrêmement important. C'est ça la démocratie. Ils l'ont fait et ils l'ont fait dans le calme et dans la sérénité. Aujourd'hui, les résultats qui tombent, qui montent, montrent une nette avance, une victoire même éclatante du oui. Et qui disait qu'il gagne la France, gagne le Sénégal, nous osons espérer que ce que nous avons ici à Paris, ce que nous avons dans les provinces, parce que nous avons aussi des résultats qui nous sont remontés, montre que la France a voté massivement oui, oui pour consolider la démocratie, oui pour au moins avoir des députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale et qui vont représenter les gens de la diaspora. Cela est extrêmement important. Et nous, je m'en réjouis, je m'en félicite. Et une fois de plus, c'est une victoire du peuple sénégalais dans son entièreté, dans son ensemble. Quel que soit le résultat, euh, c'est la manière qui a été détestée par nombre de nos compatriotes, car euh, nous vivons en France et nous savons comment les élections sont organisées dans ce pays. Et que ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est que organiser des élections en si peu de temps, ça démobilise euh, beaucoup de nos compatriotes, dont certains n'ont pas été inscrits et d'autres qui ont perdu leur carte d'identité et qui sont venus aujourd'hui avec les passeports et qui n'ont pas pu voter et qui se sont retournés chez eux. Je pense que dans une république, on devait savoir en 2016 organiser des élections aussi démocratiques pour que la majorité des Sénégalais qui ont bien sûr le droit de vote, qu'ils puissent voter dans des bonnes, dans des excellentes conditions, je pense qu'aujourd'hui, même si c'est le oui qui a gagné, ce n'est pas réconfortant. Parce que nous avons de tête, je pense que le Sénégal est un pays où la tradition démocratique est connue dans le monde entier et qu'en 2016, il faut quand même des élections qui touchent à notre constitution soient organisées dans les meilleures conditions. La révision des listes électorales n'a pas eu lieu. Ce qui fait que le fichier électoral sur lequel les Sénégalais ont voté n'est pas un fichier digne de ce nom ça s'est bien passé chez vous Très bien. Il n'y a pas d'abstention. Il n'y a pas eu d'abstention Zéro. Tout est nickel. Tout est nickel. Ah, madame, ah, ça s'est bien passé chez vous Alhamdulillah. Ah. Ça s'est bien passé, waouh. On n'a eu aucun problème, on n'a rien à signaler. Très bien. Merci. ça va Ça va, Ça va bien. Ça va, vous êtes venu voter Ça s'est bien passé oui, très bien, on a voté, tout le monde est venu, en calme. Vous avez vous-même, ça va. ñëpp ku ci nekk sa tour ak sa sante le clan de non et le clan de oui mais vote bi ma gis depuis Paris ñun san ñun li ñu gis ni résultat yu ñu gis ni depuis Paris ñun ñu dañuy def affaire de mbokk ak 50 euros ak 6 mètres jazner te ñun opposition la nekk opposition nak café bu amul soukour la ku do dong mo ci tok. minando la France ko wi min goti makissal ko makissal amen makissal ko ko wadé lay he ko Sénégal émergence

niyaye an petera election la mati sal ni mɔgɔw de nara a taara miiri ka taa mɔgɔw san a ye 50 euros di muso bɛɛ ra ka baki san k'a d'u ma k'a fara kan ka carte k'a k'a la parce que sénégal sénégal wari bɛɛ a y'a ta depuis un mois mati sall yɛrɛ de dɔgɔna dugu nin kɔnɔ mati sal nara miro a bɔra miro a taara mantela joli a ye mun kɛ mantela joli ka taa muso bɛɛ de san ayo sande aye wa aye 50 euro 50 euro duma munyalo munyalo wa woro sefa aya ka duma ulu be basaka votala o de yake m'a fɛ k'a yira rabi n'a gagnera bi an ma pouvoir nin sɔrɔ normal a taara ɲini de salamu aleykum bandiraɓe on calminama inde moon e jettode moon min beltima vote o paasi bien haare ala duko ala eɗen ñaagui yo allah wallu sénégal yaara yesso Et le constat qu'on a fait aujourd'hui, cela démontre que les Sénégalais ont rejeté la globalité de la proposition que Macky Sall a fait. Parce que il n'y a même pas 15% de taux de participation. Ce qu'on déplore le plus, aujourd'hui on a vu des ralliements de bus des irrégularités dans les listes électorales des personnes qui, sont, qui ont voté en 2012, en 2007, qui ne se retrouvent pas dans la liste. Grand cher, nous sommes lay ziar man la Cheikh Diop donc euh, ñu nous sommes pour référendum à Paris donc euh, la fédération PDS de France et tous les mouvements karimistes nous nañ liggéey bu rafet Aujourd'hui, nag lépp xew na ci jàmm ak salaam mais lenn rek nañ bëgg. Macky Sall référendum de ñu tégal nga xamante ni que daf ci dépenser ay milliards amul woon parce puisque li am solo moy Macky Sall mënul dafa télé comme le président Idriss Seck wax xamul nax dé bëgg mais mënul. Nos premières constatations ont été que le taux de participation est faible, c'est-à-dire que les Sénégalais ne sont pas venus voter parce que les Sénégalais gëmatuñu Macky Sall Macky Sall dafa def wax waxeet dafa man personnellement je me suis déplacée dem ci ay foyer ñu 80 des gens qui ont voté oui dañu voté parce que ethnocentrisme de ñeu suivre mais pas parce que dañu dañu xam li nek ci référendum bi ñi voté oui xamuñ lan un référendum avec les 15 points euh, euh, merci beaucoup euh, cher Fall donc euh, mobilisation on a vu que euh, vraiment taux de participation bi faible na trop soit tourne autour de 11 pour ji ak lu mu munti doon ñun woné nañu suñu galanterie opposition bi tojuñu xeexuñu réclamer wuñu defuñu on a dépouillé on a fait tout dans les règles de l'art waaw donc jërëjëf loolu mo fi am amu fi xeex amu fi xulo amu fi dara mais dal liñu liñu gis dal modi Macky Sall ci bopam limu bëgg def Sénégal duñu ko nangu Sénégal ben ben dëkk la té ben bop la

hande gañ hande gañuɗo ko wuyi ɗum gañuɗo e pari kadi wuyi kadi gañade ɗo e pari kadi bettani min sibu ko golle hakkude makko e amen jetti ɗon ko liggey hakkude makko e sénégal naɓe tolni ɗon hande so tawi ko sondage wonno o gañima 2019 oɗo wuyi no gañori ni ko noon no gañori 2019 sibu jeddi ngala hakkude makko e diaspora o foti gañade ɗo hen e diaspora omo foti gañade ɗo hen e pari min mbiya ko cuɓanɗe koye amen toɓɓe sappo e joyyi ɗe kanje fof mbaɗon hen ko beeloɗon cuɓoɗon hen ko weeli on min mbiya ko minen goni 15 réseau min mbiya ko minen cuɓoto dibité amen yahato assemblé sénégal ene yolta hujjaji amen ene namdo hujjaji amen ene yolta haajuji amen kala komin namdino e sénégal président makki waɗini min ko président makki addani min jeeyede sénégal ko président makki addani min tinede e sénégal guila sénégal wiya sénégal min meeɗa tinede e sénégal min meeɗa andede e sénégal diaspora min ɗanno han han min gadda min gartira kono hay goto meeɗa qirrade min sénégal so wona ko président makki ari ko kala komin mbaɗanimo ɗo hande amin jaaɓa kala komin mbaɗanimo kadi 2019 ndende kadi amin jaaɓa yo anda ko ɗo min goni hande ko ɗo min goni janggo

Par rapport à, ce qui a été annoncé, ben c'est ben, une impression ben, de, satisfaction. Ça veut dire que le peuple sénégalais a répondu à l'appel du président pour un Sénégal moderne, pour une démocratie modèle. Comme je l'ai dit il y a deux jours à Anthony, nous passons d'une démocratie majeure à une démocratie modèle. Donc, et puis ça montre que le président de la République le président du Sénégal qu'il fallait aux Sénégalais. Quelqu'un qui diminue, propose de diminuer son mandat. Parce qu'il ne faut pas oublier que le référendum découle de la volonté du président de réduire son mandat. Au moment où on massacre des gens dans des pays, où on tue des libertés dans des pays pour se perpétuer au pouvoir, pour sa famille, pour ses intérêts personnels. Le président de la République veut mettre en Sénégal pour demain, pour que les jeunes de demain puissent avoir des mandats de 5 ans pour faire tourner la démocratie, comme on fait tourner les usines en France, comme je dis souvent. Ici, on dit le 3-8, mais moi j'ai dit le 8-8 parce que ce pays ça tourne tout le temps, du 1er janvier au 31 décembre. Il faut que le Sénégal soit à l'image de la France, de l'Angleterre, des États-Unis. Il n'y a pas de fatalité à se moderniser, il n'y a pas de fatalité à se développer, il n'y a pas de fatalité à être libre, il n'y a pas de fatalité à être instruit. Ce qui est valable pour la France l'est pour le Sénégal. Nous connaissons l'histoire de ces pays modernes et démocratiques. Le Sénégal est sur la voie pour rattraper la France les États-Unis, l'Amérique, l'Allemagne, l'Angleterre. Et ça, c'est la volonté d'un homme, le président Macky Sall, que nous suivons. Nous ne le suivons pas parce que nous sommes des fanatiques. Nous ne le suivons pas parce que nous sommes dans le culte de la personnalité. Nous le suivons et nous l'accompagnons parce qu'il incarne ce que nous voulons pour notre peuple. Un peuple libre, un peuple épanoui, un peuple développé, un peuple digne, un peuple instruit. Et ça, je le dis et je le répète jusqu'à s'inquiéter, c'est parce que le président Macky Sall a été amené au pouvoir par le peuple sénégalais. Aujourd'hui, nous rendons le peuple au pouvoir. Parce qu'un référendum, c'est le peuple qui a la parole. Donc c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Merci. Oui, de votre cher, très honnêtement, quand on se respecte et qu'on respecte son peuple, parler d'achat de conscience, c'est encore une fois prendre les Sénégalais comme de la marchandise. Personne ne peut vendre sa conscience pour une voix. Maintenant, ceux qui en parlent, c'est ce qu'il pratiquaient. Parce qu'Ablawad, quand même, il ne faut pas. Bon, maintenant, je ne veux, même plus parler d'Ablawad parce qu'il appartient à l'histoire. Avec tout le respect que je dois à sa fonction et à son âge. Donc, parler d'achat de conscience, c'est un manque d'arguments. Quand on argumente politiquement, on respecte son peuple. Il parle de sacs de riz, il parle de 1000 francs, il parle de litres d'huile. Mais voilà ces gens de l'opposition, à quel niveau ils considèrent les Sénégalais. Ils les prennent comme de la marchandise. On ne peut pas acheter la conscience de quelqu'un. Alors ceux qui le disent sont dans cette situation-là, parce que c'est ce qu'ils faisaient. Il faut respecter le peuple. Moi, l'opposition, je ne dis pas qu'ils ont perdu, comme nous on a gagné, demain on perdra, eux ils gagneront. C'est la loi de la démocratie, la route tourne. Donc il faut respecter le peuple, achat de conscience. Mais ils ont parlé de n'importe quoi, jusqu'à tellement se décrédibiliser eux-mêmes. Quand ils disent le président Macky Sall va mettre le mariage pour tous dans les 15 points. Allah sait, Rasulallah sallam sait, nous nous savons, eux ils savent que ce n'est pas vrai. Donc il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut rien voir. Mais aujourd'hui ils ont vu, le oui l'a gagné, le peuple l'a gagné, vive le peuple sénégalais. En fait, je vous remercie. Et je voudrais d'abord dire qu'effectivement, les élections se sont bien passées dans un esprit de convivialité et de franche camaraderie entre Sénégalais de la diaspora. Le premier enseignement qu'on a, c'est que la participation a été très très faible. Nous voudrions simplement dire que le taux de participation est faible. Maintenant, par rapport aux résultats, effectivement, euh, le oui et en avance. Un enseignement par rapport à tout ça pour dire que le camp du oui ne doit pas euh, être fier de, ses euh, résultats. Donc si je voudrais dire simplement que la démocratie sénégalaise a gagné et nous verrons les résultats au Sénégal parce que ce sont ces résultats qui vont être déterminants et on verra. Euh, nous nous félicitons de la victoire du oui parce que c'est la démocratie qui a triomphé. Le référendum, c'est pour les Sénégalais. Et donc, il faut que les gens comprennent cela. On, a des élections à mi-mandat. Ce sont des élections qui sont difficiles. Mais un parti au pouvoir qui sort avec ce score-là pour le oui, c'est réconfortant et ça lance une bonne dynamique pour les élections législatives de l'année prochaine. Donc là, nous pouvons être confiants en tout cas, en France, la l'APR est confiante, ses alliés sont confiants et nous serons aussi nous sommes dans une bonne dynamique pour gagner les élections en, 2017 et en 2019. Inch'Allah, je vous remercie. Euh, Madame Konaté, en tant que responsable des femmes PS de Benno Bokayakar, on croyait que le oui ne passait pas, mais le oui est passé. Parce que notre secrétaire général qui est Ousmane Tanordien, avec le Parti Socialiste du Sénégal, nous a demandé de voter oui. Donc on a mobilisé avec Bédo Bokeyakar, avec l'APR, donc on a gagné Olympe. Voilà. toutes mes félicitations au consul général, le vice-consul, monsieur l'ambassadeur qui est là, et, tout le monde, et tous les militants et les militants. ne lii lu ñu séentu wala dara bettuñu ci président Macky Sall na xam nañu nekk won ci gannaawam démb ak barki demb tay jii la raw tay jii la raw Sénégal euh, Sénégal ben buntu la am kenn mënu ko yax Sénégal ben bop la kenn mënu ko yax kon nak ñun nee wi oui oui oui oui Macky oui oui. Ben une grande joie qu'on a ressentie suite à une victoire à laquelle on s'attendait. Aujourd'hui donc, le souhait que nous avons ému depuis le début de la campagne vient de se confirmer de façon éclatante. Et nous souhaitons que cette victoire puisse se confirmer partout au Sénégal et dans le reste du monde. Et félicitations à l'ensemble des compatriotes qui ont venu accomplir de façon républicaine leur devoir civique. Merci à tout le monde et j'espère que le oui, va se confirmer. Et vive le oui. oui le Sénégal a parlé, la jeunesse a parlé, les femmes ont parlé, le peuple a parlé. Le oui l'a emporté. Le oui l'a emporté. Et je m'y attendais. Tout le Sénégal s'y attendait. Bravo aux Sénégalais et aux Sénégalaises qui ont compris les 15 points et qui se sont levés très tôt pour venir voter. Bravo au Sénégal. Le Les Sénégalais veulent changer le Sénégal. On veut une nouvelle démocratie. On veut faire partie des grandes démocraties. Oui, oui, oui, oui, oui. Oui, Sénégal, léegi déglu leen ma mbër yàlla koy fal tëddal nga nelaw ku neewoon yar nga ko ku yoroon bori fay nga ko maki yaa mën a xeex bi jeeg ji taxawal seey nga liggéey wiw Sénégalo oh, maki yaay kumba ngi yaay kumba timbo sa doom ji na réew mais du ngeen tàcc loolu wiiw premier tour maki loolu la yàlla dara kéem Alaaji Malick ca kanam rek maa la wax loolu